forum du studio le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. le forum du studio Calam. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le forum de Studio Kalangu. Les programmes du Studio Kalangu sont diffusés chaque jour en direct de Niamey par un réseau dynamique de plus de 30 radios partenaires émettant dans toutes les régions du Niger. Nos programmes sont également accessibles sur WhatsApp, sur Facebook et notre site internet est www.studiokalangu.org. Le studio Kalango invite chaque jour des spécialistes et des personnes ressources pour répondre aux multiples questions d'actualité et de société que les auditeurs se posent. Aujourd'hui, nous parlerons des énergies renouvelables. Quelle opportunité pour le Niger. Le Niger est l'un des précurseurs en Afrique dans le domaine des énergies renouvelables avec la création en 1965 de l'Office national de l'énergie solaire ONERSOL, devenu Centre national de l'énergie solaire. Un grand espoir était en effet né au Niger grâce aux fruits des recherches du défunt professeur Abdou Moumouni premier agrégé en physique sur le continent africain. Malheureusement, la dépendance énergétique à laquelle le Niger continue à faire face après 58 ans d'indépendance montre que le pays n'a toujours pas suffisamment bénéficié des produits de ses recherches qui avaient déjà permis avant sa mort. Euh, le 7 avril 1991, la fabrication des chauffe-eau solaires et plusieurs autres équipements solaires met du Niger où en sommes-nous à propos de toutes ces inventions Qu'appelle-t-on énergie renouvelable Quelles sont les énergies renouvelables disponibles au Niger Quels sont les avantages de leur utilisation Quel est l'état des lieux de leur exploitation au Niger et la mise en place des équipements y afférents Le gouvernement a ratifié l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale ASP en novembre 2016 à Marrakech en marge de la COP 22. Que signifie la ratification de cet instrument juridique dans le domaine du solaire pour Niger. Les énergies renouvelables peuvent-elles constituer une alternative pour le développement socio-économique du Niger Que faire pour y arriver C'est à toutes ces questions que nous tenterons d'apporter des réponses avec nos invités. Il s'agit du professeur Albert White, ingénieur l'UO technicien ancien ministre, ancien directeur général de Sol et très proche collaborateur du défunt professeur. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Et Dr euh, Hassan Idriss Soulaï, il est chercheur et président de l'association nigérienne pour euh, la promotion de l'invention et de l'innovation AMPI. Docteur, bonsoir. Ah, bonsoir, Michel Deji. À la présentation, vous avez Michel Deji. Pour commencer, professeur Albert White, qu'appelle-t-on énergie renouvelable Les énergies renouvelables sont, comme le nom l'indique, des énergies euh, qui sont produites à partir d'une source qui ne tarit jamais. Donc, un fleuve qui coule, par exemple, euh, continuera de couler tant que les, eaux euh, viendront de sa source avec la, puissance d'écoulement de cette eau, on peut produire de l'électricité. C'est l'hydroélectricité. On connaît au Niger le cas du projet de barrage de Kandaji. Le soleil aussi est une source renouvelable puisque euh, jusqu'à la fin des temps, il sera très certainement producteur de chaleur et de lumière. Le vent est une source euh, d'énergie renouvelable qui émane d'ailleurs du solaire parce que c'est le soleil qui réchauffe l'atmosphère terrestre et qui met en mouvement euh, les vents. Dans d'autres pays, on retrouve aussi des énergies inépuisables. C'est l'énergie euh, des mers, motrice, ou bien des énergies qui viennent des eaux chaudes emprisonnées au sein de la Terre. Ce sont les énergies géothermiques. Voilà très simplement ce qu'on peut dire. Au Niger, en tout cas, euh, les énergies renouvelables que nous pouvons exploiter, il y a l'eau avec euh, le fleuve Niger, il y a le solaire et il y a euh, le vent. On peut parler aussi de la biomasse, c'est-à-dire la forêt. La forêt est renouvelable, mais là, à condition que l'homme fasse attention de ne pas déboiser excessivement et de réapprovisionner par la replantation des arbres cette source qui devient à ce moment, elle aussi, une source renouvelable. Docteur, euh, vous êtes chercheur, président de l'Association nigérienne pour la promotion de l'invention et de l'innovation. Quelle lecture faites-vous euh, de ces énergies renouvelables disponibles au Niger et les recherches que vous êtes en train de mener dans ce cadre Merci, Michel Deji. <coughs> comme l'a dit euh, le professeur Albert Wright, nous avons compris que la base du développement de tout pays, c'est nécessairement l'énergie. Parce que tout se fait avec l'énergie. Et la maîtrise de l'énergie est une condition sine qua non pour tout pays pour pouvoir prendre son indépendance et son envol dans tous les secteurs et dans tous les domaines. L'agriculture, c'est l'énergie. La santé, c'est l'énergie. L'éducation, c'est l'énergie. L'industrie, c'est l'énergie. Donc, euh, la communication, c'est l'énergie. Comme nous sommes en train de parler ici, nécessairement, nous utilisons de l'énergie. Donc, c'est pour cela que euh, l'effort ou faire de l'énergie, de la maîtrise de l'énergie une priorité est, est euh, un impératif pour tout pays responsable. Maintenant, euh, la maîtrise de l'énergie aussi demande une stratégie parce que tous les pays n'ont pas les mêmes potentialités. Pour mieux produire de l'énergie, avoir de l'énergie, il faut utiliser d'abord, évaluer les sources d'énergie qui sont à votre disposition et que votre technologie vous permettra de, euh, de maîtriser. <coughs> Donc, comme l'a dit le professeur Albert Wright, les sources d'énergie renouvelables qui sont au Niger, qui sont à la portée du Niger, c'est l'hydrodynamique, c'est le solaire, c'est l'éolienne. Mm-hmm. Toutes ces sources, nous les avons en quantité industrielle. Maintenant, c'est quelle est la volonté des pouvoirs publics qui a été mise en, œuvre pour pouvoir les exploiter. Donc, euh, la difficulté réside au niveau de l'engagement euh, donc euh, des pouvoirs publics en, tant que, scientifique, euh, quels sont les avantages euh, de l'utilisation de ces énergies renouvelables Et l'avantage euh, de ces sources d'énergie renouvelable, nous avons fait longtemps des études, nous avons fait beaucoup de publications sur ces sources d'énergie renouvelable. C'est d'abord le premier avantage, c'est la disponibilité. Ce sont des énergies disponibles à tout moment le deuxième avantage, c'est eh, l'absence de pollution, la propriété, si on peut le dire. L'énergie éolienne ne pollue pas. cest L'énergie basée sur, le vent. l'énergie éolienne, c'est de l'énergie basée dont nous avons des, eh, des, sites en quantité au niveau du désert, notamment dans l'Iraser. Mhm. Donc, ne pollue pas. L'énergie solaire ne pollue pas. Que nous l'utilisions ou non, et, et, elle est là et elle ne pollue pas. Que nous l'utilisons, ça ne pollue pas. Que nous ne l'utilisons pas, ça ne pollue pas. L'énergie hydrodynamique ne pollue pas. C'est quand dans leur utilisation, il ne pollue pas. Donc, euh, leur grand avantage, c'est de pouvoir nous donner de l'énergie de manière gratuite après les investissements. On va faire un investissement, mais à partir de l'investissement, donc vous n'avez plus et besoin de faire des investissements supplémentaires en dehors de l'entretien. Mm. Ce n'est pas, par exemple, les centrales, les centrales euh, thermiques qui utilisent euh, de l'énergie fossile. Ces centrales-là, leur consommation est beaucoup et même plus élevée que leur coût d'installation. Par exemple, euh, si on prend euh, la centrale de Gourbanda, ce que ça consomme par jour, ce que ça consomme par an vaut exactement chaque année le coût de, sa, de son installation. Ça veut dire que c'est une installation faite à perte. Or, si c'était une installation solaire ou une installation d'éolienne ou une installation euh, à partir pour l'hydrodynamique comme Kandaji, là, non seulement il y a mille avantages qui seront attachés, on aura de l'énergie et on aura aussi une protection de l'environnement. Donc, euh, euh, vous voyez l'intérêt euh, de l'exploitation de ces sources d'énergie-là pour notre pays. Donc, si ces, ces, sources d'énergie sont exploitées, et notre pays pourra régler de manière définitive et pérenne tous les problèmes de l'électricité qui, qui nous étouffent aujourd'hui. Professeur Albert White, qu'en dites-vous par rapport à ces multiples avantages qu'offrent les énergies renouvelables Le professeur euh, Idrissa a euh, cité des vérités sur euh, les avantages de ces énergies. On peut en ajouter d'autres. Voyez-vous, aujourd'hui, les énergies fossiles sont en voie d'épuisement qu'il s'agisse du pétrole, qu'il s'agisse du charbon, qu'il s'agisse même de l'uranium, ce sont des énergies qui se raréfient. Ça va finir un jour. Ça va finir un jour. Même les pays du Golfe, Arabie saoudite, euh, Dubaï, Émirats arabes unis, etc., qui flottent aujourd'hui sur du pétrole, on peut dire que c'est une image, ils sont en train de préparer l'avenir en investissant fortement dans l'énergie solaire. La Chine qui aujourd'hui est très active dans le monde pour préparer sa puissance de demain, a programmé pour l'horizon 2030 l'installation d'une puissance solaire de 10 gigawatts. 10 gigawatts, ça fait 10 000 mégawatts. Le barrage de Kandaji était prévu pour développer une puissance de 130 mégawatts. Retenez ça, les Nigériens. 130 MW. Aujourd'hui, les besoins du Niger maximaux tournent autour de 300 MW. Donc, le barrage de Kandaji aurait déjà satisfait, on peut dire pour euh, la période présente de 2018-2020, il pouvait déjà euh, couvrir les besoins parce qu'il peut assumer un productible de 629 gigawattheures par an, mhm. avec 130 MW. Alors, je vais comparer ça avec une centrale solaire à concentration. Ce sont les types de centrales qui ont aujourd'hui le vent en poupe. Une centrale solaire à concentration de 100 MW peut produire plus que le, le barrage de Kandaji parce qu'avec les conditions d'ensoleillement dont nous bénéficions au Niger, avec une centrale à concentration de 100 MW, on peut attendre à développer, à produire dans l'année jusqu'à 660 à 700 GWh. Ça couvrirait les besoins actuels du Niger. Et le gros avantage qu'on va retrouver avec une centrale solaire qu'on ne peut pas retrouver avec d'autres types de centrales, c'est la distribution sur l'espace national du Soleil. Vous avez du Soleil partout. Donc, vous pouvez, en dimensionnant correctement votre centrale, en construire une à Niamey, une à Dosso, une à Tawa, une à Agadez, une à Difa. Vous n'êtes plus préoccupé par le problème de construction et d'entretien de lignes de transport électrique, qui n'est pas un petit problème. Souvenons-nous de tous les déboires que nous avons avec la ligne de Kenji qui nous viennent du Nigeria, surtout dans des régions où l'insécurité devient préoccupante. Euh, un bandit casse la ligne, c'est fini, le pays est asphyxié. Dans Alors que euh, si vous avez une dissémination de petites centrales solaires qui assurent les besoins électriques dans tout le pays, eh bien ce type de panne ne peut plus se produire dans l'espace national. Bon, euh, nous avions euh, franchement une avance. Moi, c'est ce qui me fait le plus mal au cœur en tant que collaborateur d'un personnage comme Abdou Mouni. Le Niger était le numéro un sur le continent africain mmh. en énergie solaire. Mais nous avons cessé de travailler et d'investir dans les ressources humaines autant que dans le matériel. Cela fait que nous sommes devenus maintenant les derniers. Hein, au-dessus de nous, le, pays arabe que je regarde aujourd'hui avec beaucoup d'espoir et d'admiration, c'est le Maroc. Le Maroc a investi il y a trois ans dans la construction d'une centrale solaire. Vous savez, l'énergie solaire, il y a deux voies d'exploitation. Il y a la voie thermique mhm. avec les centrales solaires à concentration. Qu'est-ce qu'on fait on, construit un champ de miroir. On oriente vers le disque solaire et on concentre la lumière réfléchie sur un foyer. On fait bouillir, on produit donc une quantité de chaleur dans ce foyer et c'est cette quantité de chaleur qui va permettre de faire bouillir un fluide qui va se détendre dans une turbine et la turbine va se mettre en marche pour produire de l'électricité par l'intermédiaire d'un alternateur. Bon. Et il y a aussi la voie photovoltaïque. Au Niger, dès qu'on vous dit solaire, les gens disent panneau. Non, il n'y a pas que le panneau. Et moi, euh, en tant que collaborateur de Abdou et spécialiste de la question, j'ai toujours prêché pour que l'on donne la préférence à l'exploitation de l'électricité thermique solaire. Pourquoi Parce que elle est plus simple, simplement maîtrisable dans nos pays où nous n'avons pas des moyens de haute technologie. Voyez-vous, pour faire des panneaux solaires photovoltaïques, il vous faut faire fondre du silicium jusqu'à 1200 degrés, il faut doper sous vide, il faut, il faut, très compliqué et seuls quelques pays en ont la maîtrise. Si nous voulons aller dans cette voie, eh, il y a aussi le grand frein qui n'est pas aujourd'hui euh, résolu par euh, la physique. Il y a le grand frein euh, que l'électricité photovoltaïque, c'est du courant continu, que vous êtes obligé de stocker pendant mm. la journée dans des batteries. Mm. Et après la batterie, il y a un besoin aussi de la reconversion de ce courant qui est du courant continu en courant alternatif. Bon. Si vous, vous, avez vécu l'expérience des panneaux photovoltaïques qu'on a installés sur le circuit de la présidence, eh bien, ces panneaux photovoltaïques, au bout de trois ans, ont rendu l'âme et on les a tous démontés parce que euh, dans le long terme, si on veut continuer avec cette voie, on va avoir des montagnes de batteries. Mm-hmm. Hein, une batterie au Niger, elle vit au maximum deux ans et demi, trois ans. Donc, on va avoir des montagnes de batteries qui pourront remplir tout le champ de Katako. Donc, c'est pourquoi, très euh, judicieusement, euh, nous avons choisi avec Abdou Mouni la voie thermique. Et c'est ce qui, aujourd'hui, a le vent en poupe dans le monde. Je vais vous donner les chiffres. Il y a euh, aujourd'hui, avec le système de centrales solaires à concentration euh, dans le monde, il y a euh, une quantité en opération de centrales solaires à cylindre parabolique qui, couvre déjà 4218 MW il y a en opération des tours solaires, parce que c'est la deuxième formule, il y a la tour solaire mm. qui est beaucoup plus efficace encore que les centrales à cylindro parabolique. On a déjà 651 MW installés. Il y a en construction 891 MW et en développement 3558 MW. Alors, lorsque j'entends parfois dire que c'est cher, est-ce que les pays qui se sont orientés vers la construction et l'exploitation de ces centrales sont dénuées de sens. Non, ils ont constaté que c'est une euh, technologie qui est en pleine maturation et qui est porteuse pour l'avenir. Les États-Unis aujourd'hui sont à la pointe. Un pays comme la Chine, je viens de le dire, est à la pointe pour développer non pas des centrales photovoltaïques, alors que la Chine est le premier producteur de panneaux photovoltaïques au monde. Et pourquoi choisissent-ils d'installer chez eux des centrales solaires à concentration Eh bien, parce que c'est ce que un pays comme le Maroc est en train d'expérimenter. Il a construit une centrale thermodynamique exactement du même type que le système sur lequel avait travaillé Abdou Moumouni ici, c'est-à-dire on met des miroirs cylindro-paraboliques qui permettent de chauffer une chaudière de produire de la vapeur qui va se détendre dans une turbine. Donc le, Maroc a construit nous, un il y a trois ans, une centrale de 160 MW. Ça va produire beaucoup plus d'électricité qu'au Kandashi. Et ils produisent depuis trois ans et le coût du kilowattheure actuel est à 95 francs CFA le kilowattheure. Moi, malheureusement, avec Nigelec, je suis en train de payer mes factures aujourd'hui à 120 francs, 127 francs, 130 francs. Et ceux qui consomment beaucoup, c'est-à-dire qui se climatisent chez eux, ils ont dû sentir leur douleur depuis qu'on a révisé le prix du kilowattheure. Bon, le Maroc, avec Nour 2, et 3, qui va être une centrale à Tours, ils vont arriver euh, d'ici les deux prochaines années à produire un courant à 81 francs CFA le kilowattheure. Ivanpa, qui a été construite aux États-Unis, qui est la plus grosse centrale à concentration à Tours euh, dans le monde, eh bien aujourd'hui, Ivanpa produit le kilowattheure électrique autour de 60 francs CFA. La Dubaï, Dubaï vient de signer une convention de construction avec d'ailleurs une participation financière de la Chine pour construire une centrale révolutionnaire parce qu'il faut se dire qu'il y a une recherche aussi intense sur les centrales solaires à concentration qui, a été financée à grands frais par Barack Obama dans les universités américaines pour élever la température de source chaude des centrales solaires à concentration qui fait que les prochaines centrales solaires à concentration permettent euh, de prévoir la production d'un kilowattheure d'électricité à 30 francs CFA. Alors quand je lis tout cela, je suis membre de Alliance, c'est une société des ingénieurs en énergie solaire des États-Unis, puisque j'ai eu la chance d'être formé aux États-Unis. Quand je lis aujourd'hui, parce que je suis en correspondance quotidienne, on peut dire, avec ces gens-là, quand je lis toutes ces choses-là, franchement, j'ai envie de pleurer, je m'attrape la tête, je dis, ah bon Dieu, si Moumouni, si n'était pas mort il y a 27 ans, peut-être qu'on aurait pu tenir, euh, continuer à fournir nos efforts, pour avoir une multitude de cadres. Parce que euh, le développement, c'est d'abord l'homme. <coughs> L'homme en termes de, de capacité d'innovation personnelle chez soi. Le développement, ce n'est pas l'importation de matériel venu de l'extérieur et de, de choses qu'on ne maîtrise pas. Regardez tous ces instruments technologiques dont nous sommes environnés. Et quand vous avez une petite tablette, un petit appareil qui est en panne, vous êtes foutu. Soit il vous faut le changer, soit il vous faut en acheter un autre. Alors, euh, alors que on a des écoles, on a une université qui dort, on a un, centre de formation d'ingénieurs, génie civil, génie électrique, et tout ce potentiel en disponibilité est mal valorisé. Et on construit un pont, Kennedy, deux ponts chinois. Nous avons des Nigériens, on ne les associe pas. J'ai été professeur à l'EMIC. Malheureusement, quand on a construit le pont chinois, il n'y avait aucun Nigérien pour observer comment on construit un pont, alors que nous sommes en train de former des ingénieurs de génie civil, soi-disant, dans la première école d'ingénieurs d'ailleurs sous-régionale qui avait été conçue du temps de la CEAO pour former les cadres de la e Vous parlez de l'importance de ces centrales euh, thermiques à concentration que vous préférez donc euh, à l'énergie photovoltaïque. Qu'en est-il du fonctionnement Est-ce que ces centrales thermiques ont une durée de vie La question de leur entretien et tout ça Très bonne question. Très bonne question. Les, les, les premières centrales solaires à concentration construites ont été construites en Californie, très exactement en 1984. Et il y en a encore une. Il y avait une série de 8, 9, SEGS, on les appelle, Solar Energy Generating Systems. Et il y en a encore une en fonctionnement. Donc, on peut déjà tabler sur 30 ans. Et compte tenu des travaux intenses qui se poursuivent pour la maîtrise de cette technologie, aujourd'hui, les, nouvelles qu'on est en train de, de, faire financer, avec d'ailleurs l'appui d'IRENA, c'est-à-dire la, la Société internationale des, l'Institut international d'énergie solaire, avec l'appui de la Banque mondiale, eh bien, ces centrales-là, aujourd'hui, permettent d'espérer des durées, de vie au-delà des, des 30 ans. Prenez l'exemple des centrales atomiques construites par la France il y a aujourd'hui une trentaine, une quarantaine d'années. Eh bien, aujourd'hui, ça devient un casse-tête pour les Français parce que elles, ont atteint leur limite de, durée de vie et il faut les démonter. Et pour démonter une centrale atomique, il vous faut plus d'argent que celui qui a été nécessaire pour la construire et de temps. Pour démonter une centrale atomique, vous allez mettre de 15 à 30 ans. 15 à 30 ans. Bon, on n'a pas tous ces problèmes avec le solaire. Alors pourquoi aller dans des problèmes compliqués quand on sait que nous avons beaucoup de difficultés à avoir des écoles de formation solides hein, qui nous permettent d'avoir le, potentiel humain indispensable à la maîtrise de cette technologie et à leur installation sur notre sol. Professeur, ce débat ne date pas d'aujourd'hui, suivant à présent le témoignage du premier directeur général nigérien de la Nigérienne de l'électricité Nigelec. Depuis les années 80 déjà, Walam a été choisi comme zone pilote pour l'expérimentation et l'usage de l'énergie solaire. Malheureusement, les travaux n'ont pas pu être poursuivis, regrette Boukarikane au micro de notre reporter Mokta Hamadou. Vous savez que le professeur était le premier à parler du soleil et il a développé même des pompes solaires qui ont permis de faire diriger des petits Bangou, par exemple. Il y a une autre technique, évidemment, pour produire euh, du solaire, c'est le photovoltaïque, la production directe d'électricité à partir des panneaux solaires, qui est quand même la production de ces cristaux, évidemment, est une demande technologie poussée. C'est comme ça que les pays occidentaux ont été les premiers à développer ces choses-là. Mais nous, ici, avec les panneaux, on a fait des chauffe-eau solaires dans le sol, nous avons fait des séchoirs, nous avons fait des distillateurs d'eau, etc., etc. Nous avons fait même des fours solaires et malheureusement, le professeur n'a pas pu poursuivre. Tous ces projets sont des projets de la Nigélec. On ne peut pas dire que c'est le projet de la Nigélec, mais nous, nous avons voulu exploiter ce que la puissance de la Nigélec. À l'époque, la coopération française nous a proposé un projet solaire et nous avons choisi Wallam pour faire quelque chose de pilote. Malheureusement, là, on ne s'est pas entendu parce que déjà à l'époque, nous faire expérimenter le photovoltaïque, c'est-à-dire les panneaux solaires, ce que vous voyez, qui a finalement émergé, c'est vrai. Mais il y a la production thermique à partir de la chaleur. La preuve, on a une pompe solaire. Avant qu'on faisait une pompe solaire euh, photovoltaïque euh, qui se vendent, euh, qui s'installe partout. Donc on pouvait, parce que ça c'est la production thermique, hein, à propos de la chaleur transformée en énergie. là, c'est la conversion directe des rayons solaires en électricité. Ça a eu beaucoup de succès, c'est vrai. À l'époque, ce serait quand même aussi une euh, des premières expériences. Et nous avons dit non, nous voulons faire un projet avec euh, l'ONERSOL. Comme ça, l'ONERSOL va produire la boucle thermique, c'est-à-dire le moteur, et côté électrique, à ce moment-là, nous, Nigelec, nous allons faire construire nous occuper de la partie électrique. Et là, on ne s'est pas entendu, on a, bien que ce soit une aide, on a laissé tomber l'aide. Mais ça, vous voyez, ça date des années 80. Et malheureusement, depuis ce temps-là, les choses sont restées là. C'est développé, c'est les techniques, hein, développées par le professeur Moumeni, a également fait ses preuves dans beaucoup de pays. Aux États-Unis, il y a des centrales solaires euh, le premier directeur euh, général euh, nigérien de la Nigelec, euh, Bukari Kane, propos recueilli par Mokhtar Hamoudou. Dr Hassan Idriss Soulaï, chercheur et président de l'Association nigérienne pour la promotion de l'invention et de l'innovation. Où en êtes-vous au sujet de ces différentes inventions sur les énergies renouvelables au Niger? merci, Michel. Et donc, euh, je veux juste ajouter au niveau de, donc, de l'intervention de notre brillant professeur qu'effectivement, la recherche avance. La recherche avance beaucoup. Certes, la recherche consomme de l'argent, demande beaucoup de financement, mais ces résultats-là permettent d'amortir tous les financements qui ont été faits. De sorte que les euh, insuffisances euh, constaté dans les différentes euh, euh, dans les différents systèmes d'exploitation des énergies renouvelables. Donc, on, il y a, la recherche est permanemment en train de chercher à les corriger. Par exemple, au niveau des centrales thermiques, aujourd'hui, on n'utilise plus une seule source. On fait une combinaison de sources d'énergie. Et les gens font la, centrale thermique. À côté de la centrale thermique, on, la, complète avec de l'énergie éolienne et ou avec l'énergie euh, photovoltaïque. C'est une combinaison. Voilà. Donc, c'est que, voilà, c'est des installations hybrides que les gens font. Voilà. On met ensemble l'ensemble des possibilités de, euh, de, la zone pour pouvoir produire euh, donc euh, donc pour pouvoir avoir une production permanente, une production régulière. Au, niveau de la recherche, <coughs> nous nous sommes toujours et, euh, euh, nous nous sommes toujours inscrits dans la ligne du professeur Abdou Moumouni. Moi, depuis que j'étais au lycée, bon, je suis un polyvalent. Moi, à l'université, depuis toute ma, toute ma formation, je suis polyvalent je, suis aussi équidistant. Euh, euh, j'ai, aussi une bonne maîtrise des, sciences, comme on dit, maths, physique, que du français. De sorte que euh, quand vous me trouvez dans le domaine du français, vous allez croire que je ne suis que littéraire. Quand vous me trouvez, celui qui me connaît, avec qui on a fait école, quand il me trouve dans le domaine technique, il va me demander, mais c'est pas lui que j'ai vu de l'autre côté. Donc c'est ça. Et j'ai longuement et assidûment suivi le professeur Abdou Moumouni dans toutes ses conférences quand on était au lycée dans les années 80. Donc de sorte que nous avons continué dans la même lancée parce que nous avons une ambition pour notre pays et nous ne pouvons pas comprendre que nos pays soient toujours dépendants des autres pays alors que nous avons les mêmes intelligences, nous avons les mêmes capacités et mieux, nous avons plus de potentialités ces pays-là. Donc, ce qui a fait que nous sommes orientés dans la recherche et dans tous azimuts et pour que nous maîtrisions les énergies, les différents types d'énergie qui sont dans nos pays. Nous l'avons entendu, l'ancien directeur a dit même aux États-Unis, il y a des centrales solaires. Est-ce qu'on n'a pas cette impression que les inventions du professeur Abdou Moumouni ont beaucoup évolué et que on n'a pas suffisamment tiré profit de ces inventions, justement. Dommage, effectivement. Dommage. J'ai bien suivi les inventions, mais jusque dans l'évolution actuelle, je, suis de manière permanente dans le domaine des inventions. Donc, tous les secteurs, et particulièrement dans le domaine des énergies, et la recherche avance beaucoup. La recherche avance beaucoup. Et je sais, comme le professeur l'a dit, j'ai dit aujourd'hui, nous sommes au niveau des installations hybrides. Et <clears throat> au niveau de l'hydrodynamique, avant, les barrages, les types de barrages que nous avons, c'est des barrages à chute. Des barrages à chute et qui nécessitent euh, une grande accumulation, donc qui nécessitent des ouvrages très élevés pour faire des chutes très fortes, pour avoir une grande, la, quantité d'énergie euh, nécessaire. Or, depuis un certain temps, euh, en fonction des débits des cours d'eau, les gens ont trouvé les nouvelles techniques. Ce sont les barrages au fil de l'eau qui utilisent directement l'écoulement, la force du courant. Or, quand nous voyons notre fleuve là, il a un débit euh, constant. Quand tu prends de, euh, de, du 15 juillet au 15 mars, le débit euh, de notre fleuve va de 1000, 1000, 1000, mètres cubes secondes jusqu'à 3000 mètres cubes secondes souvent euh, euh, et, s'abaisser à 300 mètres cubes secondes. Or, dans tous ces intervalles-là, si davantage on fait des, des canaux de turbinage, des canaux de des canaux de turbinage, c'est-à-dire des euh, dispositifs qui permettent davantage de centraliser l'énergie de l'eau, ça peut nous permettre de produire de grandes quantités d'électricité. Donc, c'est ce qui fait que maintenant, la recherche va dans ce sens-là. Les barrages au fil de l'eau ne dérangent pas euh, l'environnement, ne demandent pas de grands investissements et produisent beaucoup d'énergie. Et nous, nous sommes dans ce sens-là. C'est ce que nous appelons les barrages compacts et modulables. L'intérêt de ces barrages, non seulement ils sont compacts, mais aussi ils sont modulables. C'est-à-dire que vous pouvez faire un barrage pour un village, où vous pouvez faire un barrage pour une région, et vous pouvez faire aussi un barrage pour euh, tout un pays, dans la mesure où ce sont des modules, c'est comme des batteries, et vous pouvez faire le cana euh, donc vous pouvez faire le turbinage sur une longue distance dans le courant. Donc, et placer plusieurs, une succession de turbines que donc vous allez maintenant mettre ensemble pour pouvoir l'énergie dont vous avez besoin. Donc, euh, pour dire que à notre niveau, la recherche avance. Et en même temps, vous savez bien que nous avons mis au point des dispositifs qui, permettent de transformer l'eau simple, l'eau simple en gaz et le gaz, nous l'utilisons pour pouvoir aussi faire euh, de l'énergie, euh, de l'énergie thermique. Professeur Albert White, euh, quelle lecture euh, pouvez-vous faire de l'état des lieux de l'exploitation des équipements solaires euh, dont nous disposons au Niger Bon, au Niger, il y a eu l'effort de diffusion de chauffe-eau solaire. Hmm. qu'on voit encore, il y a des restes sur certains toits. Ce sont des tonneaux calorifugés et qui contiennent de l'eau qui est chauffée par un capteur plan thermique qu'il ne faut pas confondre avec des panneaux photovoltaïques. Mmh. Le panneau photovoltaïque, il convertit la lumière du soleil en électricité pendant la journée. Cette électricité est stockée dans une batterie et la nuit, on peut réutiliser le courant euh, de la batterie en le convertissant en courant alternatif. Alors, la, différence entre la thermique et le photovoltaïque, c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que la thermique va finir par l'emporter, mhm. c'est que la recherche développée notamment aux États-Unis a permis aujourd'hui de stocker de grandes masses thermiques dans des espèces de piscines à l'aide de sel fondu. C'est ce que le Maroc va expérimenter avec sa deuxième centrale Nour. Cela permet, même quand il n'y a plus de soleil, pendant deux ou trois jours, comme cela peut nous arriver au Niger au mois d'août, de permettre de, de réutiliser la chaleur de la piscine pour produire la vapeur qui va faire tourner les turbines et restituer l'électricité. Bon. Quand Abdou Moumouni avait parlé de la première centrale solaire sur laquelle il travaillait, c'était en 1973 à Paris, au congrès Le Soleil au service de l'humanité. 1973, retenez bien, et en 1984, les Américains construisaient la première centrale sur le même modèle de, de cylindro parabolique et de turbine dont avait parlé Abdou Moumouni à cette conférence. Et aujourd'hui, alors que le modèle sur lequel nous avions travaillé à l'ONEXOL permettait de chauffer la température chaude de, de ces centrales à 180 degrés, aujourd'hui on est à 550 degrés. Donc on a décuplé le rendement de ces centrales. C'est ce qui permet de dire avec beaucoup d'assurance que les futures centrales vont bientôt nous donner du courant, je dirais, cadeau, parce que ça va descendre, c'est en train de descendre. On est parti depuis 100 et quelques francs le kilowattheure. Aujourd'hui, on est déjà à 30 francs et les Américains pensent pouvoir produire bientôt du courant euh, en dessous de 30 francs CFA le kilowattheure avec les centrales solaires à concentration. Professeur, avec toutes ces opportunités, les énergies renouvelables peuvent-elles constituer une alternative pour le développement socio-économique euh, du Niger Je pense qu'on n'a pas d'autre choix. Je pense qu'on n'a pas d'autre choix. Qu'on le veuille ou non, c'est l'énergie de demain. Mhm. Voyez-vous Comment y arriver à le, le photovoltaïque, déjà, rend, on ne doit pas l'exclure. Il rend de puissants services lorsque l'énergie demandée n'est pas très importante. Lorsque vous êtes à Gades, à Difa, sur des champs d'opérations militaires ou autres, avec un petit panneau, une batterie, vous pouvez satisfaire vos besoins Ça, c'est La faible consommation. Mais lorsque vous voulez bâtir un pays, alors non, vous ne pouvez pas le faire avec l'électricité photovoltaïque, ça sera trop cher. Alors il faut aller avec les centrales à concentration que vous allez disséminer. On construit aujourd'hui des centrales à concentration à partir de puissance de 50 MW. Eh bien, si vous pouviez implanter 50 MW à Dosso, Gaïa, Maradi, Zender, eh bien, c'est fini. Le Niger va, va sortir de sa situation de dépendance colonialiste. Docteur, un, mot, un mot par rapport à cet accord ratifié portant création de l'Alliance solaire internationale signée en novembre 2016 à Marrakech en, marge, en marge de la COP 22. Quels sont les objectifs euh, à votre niveau, euh, docteur Bien, vous savez, les Européens, ils sont très... ils sont visionnaires. Mm. Et ils ont constaté que nous, nous avons des grands espaces ensoleillés, mais que nous, n'exploitons pas. Or, chez eux, ils ont des grands espaces, mais ils ont un, un, faible taux d'ensoleillement dans leur pays. moins ce petit taux d'ensoleillement, ils l'exploitent quand vous survolez euh, euh, leur, leur, territoire. En quelque sorte, c'est de nous dire euh, cet accord, ça explique quoi ça, simplement... quels, sera, quel sera, quels seront les objectifs de l'Alliance solaire internationale en quelques secondes, puisque nous sommes pratiquement à la fin en quelques secondes, c'est le désert tech que moi j'ai étudié. Ce mm. désert tech là. Les Européens ont dit qu'ils vont conclure un accord avec l'Afrique mm. pour exploiter nos territoires et pouvoir alimenter toute l'Europe jusque jusqu'en Norvège, les zones particulièrement euh, qui n'ont pas d'électricité, donc la Norvège, la Suède, tous les pays de, de l'Europe du Nord en électricité à partir de notre désert. Et c'est dans l'esprit de faire des installations hybrides. Nos, nos déserts-là, ils ont du vent de manière permanente. Ils ont du soleil de manière permanente. Et aussi, leurs sous-sols ont également du gaz qu'on pouvait associer. Donc, le, cet accord, dans son principe, ce n'est pas de servir l'Afrique, mais plutôt de donner de l'électricité, l'énergie moins chère à l'Europe. À l'Europe. Voilà exactement le fond euh, euh, euh, donc de cet accord-là, tel que moi je l'ai étudié. Nous sommes donc euh, au terme euh, de ce forum euh, du studio Kalangu qui a eu comme thème les énergies renouvelables, quelle opportunité pour le Niger. Nous avons vu que les énergies renouvelables ont beaucoup d'avantages pour le Niger. Il s'agit d'abord du principe de disponibilité, mais aussi du fait que les énergies renouvelables ne polluent pas l'environnement comme on peut constater cela du côté des énergies fossiles. Merci donc à vous qui avez répondu présent à ce forum. Vous avez expliqué qu'il faut valoriser ces énergies pour un lendemain meilleur pour le Niger. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en compagnie du professeur Albert White. Il est ingénieur et technicien ancien ministre et ancien directeur général de l'Office de l'énergie solaire au et Dr Hassan Idrissa Souley. Il est chercheur et président de l'Association nigérienne pour la promotion de l'invention et de l'innovation AMPI. À la réalisation, c'était Boubouka Diallo à la technique Issa Laoli au micro Michel Deji. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure pour euh, un autre numéro du forum du studio Kalangu. Excellente soirée et au revoir.